en fait, euh, ici, chez nous, en Songo, jusqu'à la Bezanga, il n'y a eu aucun changement. La fluidité de la circulation est là. Même ce matin, il y a eu une dizaine de bus qui ont quitté Gao, qui ont passé en Songo pour aller vers la Bezanga. En fait, euh, entre nous et les Niger, il n'y a jamais eu fermeture des frontières. Même pendant la pandémie du coronavirus, quand les autorités ont décidé de fermer les frontières, c'était fermé officiellement. Mais officieusement, les gens voyagent tranquillement. Des bus quittent euh, le Mali vers Gao pour aller jusqu'à la Bezanga. Et des bus quitte euh, vers Niamey pour venir jusqu'à Yerou. À partir de maintenant, il y a des voitures personnelles qui font la traversée avec les passagers. Et même aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer.